forum forum district kalam forum forum forum forum forum forum de 15 minutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés par, pour rappel en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Le thème du forum de ce soir est le tétanos. Le tétanos, qu'est-ce que c'est Comment est-il contracté Comment se manifeste-t-il Comment se fait la prise en charge des malades Quelle est la situation du tétanos à Niamey Quelles sont les catégories de personnes les plus touchées comment sont menées les campagnes de vaccination contre le tétanos ainsi que les résultats atteints dans la région de Niamey. Quels conseils pratiques pour prévenir cette maladie Quelles sont les méthodes ou supports de sensibilisation utilisés pour informer le public sur le tétanos Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses instructives avec nos invités, Docteur Hanki Yahaye, médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Alassane et Madame Jubo Fati, qui est chargée de communication à la direction régionale de la santé publique euh, de Niamey. Bonsoir, euh, Madame Jubo. Bonsoir. Présentation sainte Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum de ce soir sur le tétanos. Selon des données publiées par l'UNICEF en prélude à la campagne de vaccination de 2007, le tétanos est l'une des causes majeures. 14% du décès des enfants de moins d'un mois et 5% de la mortalité maternelle. Et l'on estime que chaque année dans le monde, le tétanos est responsable de 257 000 décès néonataux, moins d'un mois, et 30 000 décès chez les femmes venant d'accoucher. L'élimination de cette maladie euh, contribuera sûrement à réduire la mortalité néonatale et maternelle. C'est dans cette optique que le gouvernement du Niger a fait une campagne de vaccination contre le tétanos en 2007 pour son élimination à l'horizon 2010. La campagne de 2007 visait 550 000 femmes de 15 à 49 ans dans les districts de Myriad, une autre campagne s'est déroulée en 2008 dans certaines localités des régions de Tawa et Agadez. Il y a eu après euh, d'autres campagnes de vaccination dans certaines localités, y compris la région de Niamey. Est-ce que ces campagnes de vaccination et d'autres qui ont suivi ont permis réellement d'éliminer le tétanos C'est la question qu'on se pose quand on sait que le tétanos, dit-on, est une maladie qui n'est ni immunisante. Il est possible d'être infecté plusieurs fois, ni éradicable car les bactéries sont en permanence dans les sols et l'environnement plus tarder, nous allons rentrer dans le vif euh, du sujet. Nous allons partir euh, étape par étape, à commencer par savoir d'abord euh, ce que c'est que le tétanos. Docteur, nous commençons avec vous, docteur Hanki Yahye. Donc, je le disais, vous êtes médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Le tétanos, qu'est-ce que c'est et comment est-il contracté Merci Alassane, merci au studio Kalangu pour nous donner cette opportunité de parler d'une maladie très grave est le tétanos. C'est quoi le tétanos Le tétanos, c'est une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse, ça veut dire c'est dû à une bactérie qui, une fois pénétrée dans l'organisme, fabrique une toxine qui sera à la base de tous les signes qu'on connaît du tétanos. Donc c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie, comme je l'ai dit, qu'on appelle bacille de Nicolas, qui est à l'origine donc de cette maladie. Alors, comment est-il contracté le tétanos Les principales causes, en fait Comme je l'ai dit, c'est une bactérie qui, normalement, vit dans le sol, le sol de l'environnement, sous une forme qu'on appelle de sport, qui lui permet de vivre sans problème. Une fois qu'il est une porte d'entrée, donc une blessure, en tout cas une ouverture de la peau euh, d'un de, homme, cette bactérie va profiter pour y rentrer c'est une fois rentré au niveau de cette plaie qu'il va fabriquer une toxine. En fait, c'est pas la bactérie qui va rentrer, qui va partir dans tout le... Il va s'arrêter au niveau de la plaie, il va fabriquer une toxine qui va diffuser dans le sang et les nerfs et va partir se fixer à un niveau du système nerveux central pour donc déclencher les crises, les signes du tétanos. Euh, donc, toute cause de blessure, qu'on soit blessé par un objet qui traîne dans la, la nature, par une épine, par, euh, blessé par un couteau, ou bien quelques gestes, même médical une injection, une intervention chirurgicale, une blessure, tout ce qui provoque une porte d'entrée sur la peau peut être la cause. Même les brûlures peuvent être cause de tétanos. Bien. Euh, docteur, dites-nous quels sont les principaux symptômes qu'on connaît euh, du tétanos. Très bien, merci. Comme euh, je viens de le dire, en fait, la bactérie va sécréter une toxine. Cette toxine va diffuser dans le sang va partir au niveau du système nerveux central où il va se fixer sur ce système nerveux-là. Et en se fixant là-bas, il va inhiber eh, quelque chose de très important dans notre corps. Quand un muscle se contracte, il se relâche. Donc c'est le fait de se relâcher que cette toxine va inhiber. Donc c'est uniquement la contracture qui va se manifester. Et donc tous les muscles du corps peuvent être contactés. Et ça commence par les muscles de la mastication donc les muscles qui permettent de marcher. ils vont se contracter, ils ne vont plus se relâcher. Quand ils se contractent, la personne ne va plus pouvoir ouvrir, la bouche. C'est d'abord le premier signe. Après, il y aura cette contracture au niveau des muscles du cou, au niveau des muscles de l'œsophage, tous les muscles, et ça va descendre au niveau de l'abdomen, au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, tout l'organisme va être contracté. Donc c'est essentiellement la contracture des muscles provoquée par cette neurotoxine qui est les manifestations de cette tétanos. Et, ces contractions euh, sont périodiques, vont et viennent, ou euh, quand ça vient, c'est fini, ça reste tel Il y a des parties qui viennent, ça s'arrête comme ça. Par exemple, au niveau de la bouche, qu'on appelle trismus, une fois que ça commence, ça s'arrête comme ça. Parce que la toxine qui est fixée là, tant que c'est pas éliminé, les contractures vont comme ça. Mais en plus, d'être contracturé. Il y a quelques événements qui peuvent faire que cette contracture-là peut augmenter. Ce qu'on appelle donc des crises des paroxysmes. Par exemple, les bruits, la lumière, tout ce qui fait, peut exciter le malade peut augmenter donc cette contracture-là. Donc en plus d'être déjà contracturé, les muscles vont encore se contracturer davantage et ça fait des paroxysmes qui peuvent être la base de certains décès. Docteur, mais est-ce que ça, c'est quand on arrive déjà à ce que la bouche ne peut plus ouvrir euh, pour cause de contraction des muscles euh, de la mastication Est-ce qu'il y a, avant cela, des, signes précurseurs euh, alertants avant même d'arriver à, ce que ce soit extrême Chez l'adulte, le premier signe, c'est qu'il aura des difficultés à avaler la nourriture solide il va déjà remarquer que quand il veut avaler, il y a blocage. Après, progressivement, ils vont, vont négliger, ça serait même les, solides, les liquides. Donc c'est essentiellement ça d'abord, et après il va se rendre compte qu'en fait, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Donc c'est d'abord cette sensation de blocage pour les aliments solides, puis les liquides et la bouche qui ne peut Au niveau de la gorge. Voilà. Et chez le petit bébé, parce que c'est très important, c'est que l'enfant va refuser de téter. C'est le premier signe. L'enfant ne peut, parce qu'il ne peut pas avaler, il ne va pas téter. Bien. Docteur, nous allons revenir à vous le temps de donner, la parole à Madame Jibo Fati, qui, je le disais, est chargée de communication au niveau de la direction régionale des santé publique de Niamey. Euh, Madame euh, Jibo Fati, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation de cette maladie au niveau de la région de Niamey euh, Par exemple, peut-on avoir une idée du nombre de cas enregistrés euh, soit au niveau, pendant l'année 2016 écoulée ou 2017 Merci, Monsieur Alassane, et merci également le studio eh, Kalango de nous donner cette opportunité pour pouvoir parler de cette maladie. Eh, heureusement, ces deux dernières années, euh, au niveau de la région de Niamey, il n'y a pas eu de notification de cas. Nous, à notre, à notre niveau, à la DRSP, il n'y a pas eu de mm. notification de cas. Mm. Parce que les, cas, il y a les MDO, que, à la fin de chaque semaine, on nous transmet les, maladies à déclaration obligatoire mm-hmm. que l'OMS Donc, euh, et, euh, ces deux dernières années, vraiment, il n'y a pas eu de notification de cas. Vous voulez parler de 2016-2017 De 2016 à 2017 on vient de commencer 2018. Est-ce de 2016 à 2017. Et est-ce qu'on peut avoir une idée des années précédentes, par exemple Bon, malheureusement, on n'est pas rentré dans les archives pour euh, euh, tout ce que c'est. uniquement la région, donc on a parlé, donc au niveau de la région, on a regardé seulement les deux dernières années, et on n'a pas eu de, de, cas notifiés. Mm-hmm. Docteur, est-ce que on peut savoir les catégories des personnes qui euh, sont souvent les victimes du tétanos Avant de répondre à ça, je ne sais pas si je dois un peu compléter mhm. ma collègue mhm. par rapport au cas de tétanos. Mhm. Je ne sais pas à quel niveau de la pyramide on peut situer l'hôpital national de Niamey. C'est pour dire que régulièrement, nous, on a des cas de tétanos dans notre service. Aujourd'hui, actuellement, j'ai encore deux patients hospitalisés de tétanos, un qui est de 35 ans, l'autre doit être autour de 40, 45 ans, je ne me rappelle pas très bien. Mais en tout cas, il y a deux. Et régulièrement, on a deux salles. Rarement, on a que, euh, que ces salles-là soient vides. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que... Les salles où vous, vous hospitalisez... Rien que les tétanos. C'est des salles de tétanos qu'on les mhm. appelle. Mhm. Mais seulement, deux personnes, par exemple, les deux-là peuvent être là pendant deux mois, par exemple, ou bien un mois au moins. Mhm. Donc, ce qui fait que ce n'est pas, ça ne veut pas dire que chaque jour on a des cas, mhm, mhm. mais régulièrement on a des cas de tétanos qui sont hospitalisés Est-ce que ces gens sont de Niamey ou viennent d'autres contrées Ceux qui sont actuellement là viennent tous de l'intérieur du pays. Ça, c'est vrai. La région de Tilaberi. Mais on a aussi, on a eu aussi des cas de, de, Niamey. mais Bon, mais c'est que sûr, il y en a, on a encore des cas. Par rapport aux tranches d'âge, en fait, n'importe qui, quel que soit l'âge, on peut être atteint par le tétanos. Si on me demandait sur quel terrain ça peut être plus grave, c'est encore plus chose. Mais hmm. sinon, n'importe qui peut faire le tétanos. Il suffit d'être exposé, d'être blessé et de ne pas être euh, protégé, avoir donc une protection hmm. immunitaire pour hmm. faire la maladie. Maintenant, si je dois dire surtout où est-ce que ça peut être dangereux, c'est les personnes fragiles. Fragiles sur le plan immunitaire. Le petit enfant qui n'est pas encore immunisé, donc les nouveau-nés, ça, ça ne pardonne pas. Les, qui sont dans leur première semaine jusqu'à un mois, un peu, en tout cas les nouveau-nés, mhm. et les sujets âgés qui ont perdu leur immunité. Mais aussi, malheureusement, les personnes robustes, fortes, mhm. qui ont des bonnes musculates qui ont les muscles, parce que c'est les muscles qui vont se contracter et qui mhm. peuvent être cause de décès sujets aussi. Comme je dis, n'importe qui, de 0 à 100 ans, on peut faire le tétanos. Il n'y a pas de tranche mm. Docteur, dites-nous comment le tétanos est-il diagnostiqué à votre, à votre niveau <coughs> Le tétanos, essentiellement, est clinique. C'est clinique, c'est sur les manifestations. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas une maladie qui fait comme le tétanos. D'abord, les contractures. Le trismus, on dit jusqu'à preuve du contraire. Toute personne qui n'arrive pas à ouvrir la bouche, qui n'arrive pas à avaler, qui n'a pas de fièvre, qui est totalement consciente. Parce que le tétanos, c'est ça même le drame du tétanos. La personne reste consciente tout au long de sa maladie. Il sait tout, il voit tout, il vit sa maladie. Contrairement aux autres causes qui peuvent être le trismus, par exemple, quelqu'un qui a un problème dentaire, c'est facile à retrouver. Quelqu'un qui a une hémorragie ménagée, il est il a le trismus, mais il est inconscient. Mm. Quelqu'un qui a euh, ce qu'on appelle euh, l'accident du, euh, nerf que j'ai. Mm. Lui mm. aussi, c'est facile à retrouver. Mm. Mais le tétanos, c'est purement la clinique. Le trismus, l'absence de fièvre, la conscience qui est conservée et les paroxysmes. Donc c'est cliniquement, on fait le diagnostic, ce n'est pas faire un prélèvement, non. Pas, nous revenons à vous, madame. Est-ce qu'on peut avoir une idée de, campagne On sait que hein, le gouvernement, quand même, fait des efforts de temps en temps pour faire des campagnes de, vaccination, notamment à l'endroit des, cibles euh, les plus fragiles, comme le docteur vient de le dire, notamment les, les, les nouveau-nés et les femmes enceintes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de campagne euh, de vaccination organisé euh, ces dernières années par l'État au niveau de la région et les résultats peut-être auxquels euh, ces vaccinations ont permis euh, la, dernière campagne, c'est depuis en 2014. 2014. 2014, où le district sanitaire 5, parce que maintenant c'est 5, avant c'est 3, mhm. maintenant c'est 5, donc a organisé une campagne de, de vaccination. Donc c'est et est-ce que c'est vraiment la dernière campagne Et c'était euh, bien sûr à, l'endroit des femmes et, des enfants. oui, à l'endroit des femmes Et des enfants. Et est-ce qu'on peut femmes en âge de procréer, bien sûr. Et est-ce qu'on peut savoir si à ces jours, je suppose bien que c'est parce que cette zone n'a pas été choisie au hasard. Et est-ce que la campagne a permis d'accroître leur immunité et de faire reculer la maladie de la bien zone Bien sûr, la campagne a donné de bons résultats. Bien. Est-ce qu'on peut dire que ces campagnes ont permis d'éliminer le tétanos Dans la région de Niamey hum. Dans ces zones peut-être où il y a eu ah, la, campagne où il y a eu la campagne. Il y a eu, la campagne. Oh, bien sûr, puisque jusque-là, on n'a pas vraiment reçu de notification de, de, cas de tétanos. Donc on peut dire que vraiment la campagne euh, a donné. Est-ce qu'au niveau de la région, au niveau de, la direction régionale de la santé publique, est-ce que des actions de sensibilisation sont menées et euh, pour, pour expliquer aux gens ce qu'est le tétanos et les facteurs de risque. Mais ça, c'est ça, que c'est chaque jour. Parce que dans toutes les formations sanitaires, on fait des sensibilisations. Pendant les consultations, pendant les, les consultations, soit que ce soit au niveau de la maternité, que ce soit au niveau des, des CSI, des PMI qu'on l'appelle généralement. Mhm. Et ça, c'est chaque matin, on fait des, des, sensibilisations pour, pour informer la population, pour informer cette tranche euh, vulnérable qui est la femme et les enfants, mhm. pour l'importance de la vaccination mhm. et là où elles peuvent vraiment se rendre pour euh, avoir cette euh, vaccination-là. Mais est-ce que les médias sont mis à contribution Bon, bien sûr, bien sûr, il y, a des, médias qui sont mis en contribution parce qu'il y a des émissions qui se font pour, sur la, santé et qui parlent aussi de, l'importance des différentes vaccinations. Bien. donc, cela nous amène à, à, rentrer dans la deuxième partie de cette émission, docteur, qui est consacrée à la prise en charge des cas de tétanos et aux mesures préventives euh, dites-nous, docteur euh, Hanki euh, Yahaye, médecin infectiologue au niveau de l'hôpital national de Niamey, comment s'est fait la prise en charge des malades au niveau des centres publics, notamment au niveau de l'hôpital national Merci. Merci. La prise en charge est vraiment codifiée. Le traitement, le, la c'est une maladie qu'on traite et qui guérit. Mhm. Très bien. Il suffit juste de prendre la personne en charge très tôt. Ça se guérit et les médicaments sont accessibles. Le Seulement le traitement comporte trois volets. Lesquels Trois volets, à savoir, je vous ai dit que les germes, en pénétrant dans l'organisme, s'arrêtent au niveau de la porte d'entrée. Les germes s'arrêtent là-bas. Mhm. Ils sécrètent une toxine qui circule dans le sang et qui va se fixer au niveau du système nerveux central. Donc le traitement va se partir au niveau de ces trois niveaux-là la porte d'entrée, il faut pouvoir détruire le germe. Le sang, il faut éliminer la toxine qui circule. Et au niveau du système nerveux central, malheureusement, quand le germe est fixé, il faut juste lutter contre les contractures musculaires. Ce qui fait que le traitement comporte donc les trois volets dont je dis. Il faut donner une antibiothérapie, il faut faire un pansement, il faut enlever tous les parties du Ce que j'ai oublié de dire, ce germe, c'est une bactérie anaérobie qui n'aime pas l'oxygène, qui préfère les, zones où il n'y a pas, donc les tissus morts qui ne sont pas oxygénés. Mhm. Donc il faut aller ces tissus morts, il faut mettre de l'eau oxygénée qui va aider à tuer le germe pour qu'il ne sécrète pas d'autres toxines. Donc c'est l'antibiothérapie ça. Dans le sang, c'est essentiellement le SAT, le sérum antitétanique que les gens prescrivent comme ça, qui mhm. permet de détruire la toxine qui circule encore dans le sang, parce qu'on ne peut plus eh, détruire la toxine qui est fixée sur les nerfs. Mhm. Donc on met du SAT, tous les malades qui sont sur les lits, on leur fait une dose et en cas de nécessité, on peut renouveler parce que ça peut travail pendant 15 jours, ce qu'on a fait. Et enfin, la toxine qui est déjà fixée, qui entraîne les contractures, qui entraîne tous les signes, mm. on lui donne des médicaments qui permettent donc de relâcher les muscles. En l'occurrence, un produit que presque tout le monde connaît, c'est le Valium. C'est mm. très efficace, on donne ça à des fortes doses, ça permet de relâcher le corps. Voilà, et on fait des fortes doses tout au long de l'hospitalisation, ça permet de relâcher. La prise en charge, donc, c'est essentiellement ça. Mais comme c'est une maladie, je vous ai dit que la personne ne peut pas avaler, ne peut pas manger, ne peut pas, mm. il faut faire d'autres choses. Il faut faut d'abord réhydrater la personne. Il va se déshydrater. En cas de nécessité, il faut nourrir, même si ce n'est pas de son nasogastrique. Et surtout, comme il, peut, il a des blocages, deux fois il peut avoir des difficultés de respirer. On est obligé de faire recours à la réanimation qui vont faire un, passage au niveau de la gorge qu'on appelle trachéotomie pour permettre à ces malades de respirer. Mm-hmm. La prise en charge, si je dois résumer, c'est ça. Mm-hmm. C'est cher, c'est abordable ou euh, il y a des difficultés Est-ce que euh, cette prise en charge est accessible accessible au, à tout le monde. Comparé à la santé, mmh. comparé sa vie, mhm. je vous assure, c'est accessible. Mais notre mentalité est tout autre. Mhm. Sinon, ce n'est pas des médicaments extraordinaires. Mhm. C'est les solités, c'est les valium, les valium ne C'est les antibiotiques, euh, simple métronidazole, diazépam, euh, comment mais injectable. Et c'est les SAT et les VAT, la vaccination même, on va revenir sur la prévention. Ce traitement-là, si n'est pas la durée, parce que là, les gens peuvent faire plus d'un mois, mais le coût journalier de la prise en charge, ne dépasse pas les 10-15 000. Pour moi, comme, euh, euh, tenant compte de cette maladie grave-là, avec 10 000, on peut s'en sortir de la journée, c'est pas cher. Et, selon, la, selon les, cas de malade, les cas de figure que vous avez souvent, euh, pour qu'un malade du tétanos soit guéri, est-ce qu'il lui faut passer un mois, deux mois, trois mois au-delà sous, sous traitement Là aussi, ça dépend. Ça dépend de la gravité. Cette gravité-là qui va dépendre de la porte d'entrée ou est-ce que, par quel mécanisme la personne est devenue, appuyée son mhm. Et donc, la gravité surtout, certains fois, ce qu'on appelle des tétanos frustres, Rarement, ils dépassent les deux semaines. Mais les cas, malheureusement, graves qu'on hospitalise, n'ont pas moins d'un mois, deux mois d'hospitalisation. Euh, Même un peu plus de deux semaines sans alimentation, rien que les sérums et autres. Et, ils il, guérissent et puis ils, guérissent, ils reprennent tout. Deux fois, avec des, quelques séquelles. Vous avez dit c'est des contractures très très graves. Il peut y avoir des fractures de côte, il peut y avoir des fractures de colonne. Donc c'est des, euh, des, complications qui peuvent survenir surtout chez les personnes un peu euh, musclées, si je peux. Voilà, voilà. Là, ils font vraiment des complications. Ils peuvent faire des complications infectieuses. Quelqu'un qui a sous sérum depuis des, des jours, des jours, des fois, ils prennent des maladies malheureusement dans l'hôpital. Ça aussi, c'est des complications qui peuvent faire que l'hospitalisation va durer. Voilà. Mais sinon, vraiment bien pris, la personne guérie, il peut sortir. Docteur, est-ce qu'il arrive que vous recevez des, des, des, patients dont vous ne pouvez pas savoir à quel moment il s'est blessé ou où est-ce qu'il il a, contracté la maladie parce que peut-être il s'est blessé, il a même oublié la blessure s'est cicatrisée ou, pas. Très bien. Ça, c'est même les plus fréquents. Des fois, on cherche partout, on ne voit même pas la porte d'entrée. Parce que tétanos ne veut pas dire qu'il y a une plaie qu'on voit. Mhm. Des fois, la personne a fait sa blessure, ça a guéri, ça s'est cicatrisé, il y a pas, il se rappelle même pas de quand est-ce qu'il s'est blessé. C'est bien possible. Et des fois aussi, c'est des gens qui sont blessés depuis longtemps, des plaies chroniques en fait, peut-être l'infection s'est faite récemment. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a une plaie depuis plus de deux ans. Ce n'est pas depuis plus de deux ans qu'il s'est infecté, c'est après que l'infection s'est installée. Donc, ce qui fait que pour la majorité des cas, il est difficile de dire quand est-ce que ça s'est passé. C'est plus facile, par contre, plus facile est chez les nouveau-nés. Parce que là, généralement, c'est les plaies ombilicales. Mm. C'est au niveau, au moment de l'accouchement, on fait euh, ce qu'on appelle le cordon ombilical, le cordon ombilical, c'est là qu'on infecte l'enfant. Et généralement, la maladie se manifeste au bout de la Semaine. Et ça coïncide curieusement au baptême. En ce moment où il y a beaucoup de bruit, où l'enfant est menacé, il fait ses crises et on perd l'enfant. Au passage, est-ce qu'on peut avoir une idée du symptôme que ces, nouveaux-nés développent peut-être pour... Euh, c'est essentiellement le refus de téter et les pleurs. Sinon, il n'y a pas de fièvre. Généralement, c'est la fièvre qui, qui, peut alerter. qui, peut alerter les <laughs> parents. Mais il va juste refuser de téter et il pleure. Hein? Celui qui sait regarder, il va voir que le visage a changé parce que les muscles sont contractés. C'est facile de voir ce qu'on mm. appelle le visage du petit vieux. Hmm. Il est tellement crispé qu'on va le comparer à un petit vieux. ça, il faut quelqu'un qui sait regarder ce visage-là pour le comparer. Voilà. Euh, Madame Jibofati, peut-être un complément d'information ou euh, une appréciation, un commentaire sur ce que le docteur vient de dire euh, Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il vient de dire, c'est ça. Et c'est surtout que c'est les femmes, bon, il y a chose parce que c'est les femmes qui intéressent le plus parce que même la vaccination, c'est les femmes, c'est les femmes qui qui, sont le plus touchés parce que peut-être l'accouchement, on ne sait pas dans quelles conditions et c'est peut-être c'est pendant l'accouchement surtout. Et l'accouchement, si l'accouchement ne se déroule pas dans une formation sanitaire, on ne sait pas dans quelles conditions la, la, femme a accouché, dans quelles conditions on a fait la section du cordon ombilical dont elle a parlé et c'est ça vraiment qui, peut amener la maladie. Mais est-ce que euh, il vous arrive peut-être de, de rencontrer les agents de santé euh, C'est possible aussi que le nouveau ne puisse être contaminé au niveau même quand c'est c'est dans, un centre de santé, docteur C'est bien possible. C'est bien possible, pas seulement les enfants, tout le monde. Parmi les cas de tétanos grave, c'est le tétanos suite à des injections IM, des injections qu'on fait dans les fesses. Donc, même dans les services Mais comment c'est fait-il, docteur Normalement, les, les, matériels sont censés être euh, stériles. Euh, stérile Une, seule, utilisation. sont, censés être, comme vous l'avez dit, malheureusement, euh, nos conditions de vie. Il ne suffit pas juste de dire que cette table-là est propre et dire que c'est stérile. Mhm. C'est propre, et stérile, c'est différent d'être être propre. Mhm. Il faut les produits nécessaires pour la stérilisation. Et ça doit être permanent. Ce n'est pas venir aujourd'hui laver, deux jours, trois jours après venir laver. Comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de cas de tétanos graves, surtout d'origine iatrogène, donc médicale. Médical. Les injections, la chirurgie et aussi les interventions au niveau au moment de l'accouchement. Donc euh, la chirurgie sur l'utérus, ça c'est des cas de tétanos grave. C'est expliqué par des négligences. Euh, normalement, on, se dit tous que les agents de santé ils sont, mieux, avertis que n'importe qui par rapport au, respect de l'hygiène. C'est pas qu'ils ne respectent pas l'hygiène, mais les conditions de travail. C'est pas parce qu'on ne m'a pas donné simple eau de javel que je vais refuser de faire l'injection à mes patients mais j'essaie quand même d'utiliser au maximum les moyens qu'on m'a mis, on a mis à ma disposition. Personne ne veut contaminer son patient. Mhm. S'il les fait, c'est que c'est le cas. Deux fois aussi, il peut avoir la négligence, mais toujours est-il que c'est possible, c'est des cas qu'on a et on doit en tenir compte. Mm -hmm voilà. Des séances de sensibilisation et puis peut-être même d'échanges avec un certain nombre d'agents de santé ne s'impose pas. Maintenant, bien. Oui. Là, les campagnes, de ça, on en fait chaque matin dans les formations sanitaires. On est en contact avec la population. Mais eux-mêmes, les agents de santé. Ah, les agents, ils sont, mais les, agents, ils sont sensibilisés. Ils sont <laughs> sensibilisés, ça, ils, l'en savent. Seulement, comme le docteur vient de le dire, des fois, les conditions de travail imposent. Mais ah. sinon, les gens en savent beaucoup. Ils sont formés, ils savent. Docteur, tout à l'heure, vous avez évoqué un peu le, certains cas que vous recevez et notamment où il est, pratiquement impossible de, de, savoir à quel niveau euh, la maladie a pu trouver de porte d'entrée. <laughs> Quelles sont les difficultés auxquelles cet état de fait et bien d'autres le fait euh, de ne pas retrouver la porte d'entrée ou bien de ne pas savoir depuis quand est-ce que la personne s'est blessée, et, curieusement, c'est un facteur de bon pronostic. Parce que plus l'infection est récente, la contamination, donc l'incubation. Si ça fait moins de 7 jours, c'est grave. Si c'est au-delà de 7 jours, c'est plus facile à gérer. Donc, si on ne trouve pas la porte d'entrée, ça, ça, stresse, mais ça ne, fait pas trop peur. Contrairement à celui-là qui dit je me suis blessé il y a une semaine et déjà il a des signes. C'est plus difficile ça à gérer. Ce que je veux dire, oui. la gravité de la maladie dépend, euh, dépend de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, la porte d'entrée. J'avais commencé déjà. Les portes d'entrée qui sont graves, il y a la section du cordon ombilical. Si la porte d'entrée est d'origine cordon ombilical, c'est très grave. Si la porte d'entrée est d'origine chirurgicale, plaie de chirurgie, c'est très grave. Brûlure large, c'est très grave. Injection IM, c'est très grave. Mais une porte d'entrée où c'est une blessure que tu as eu, que tu as traîné les jours, qui t'est infectée, c'est pas pas grave non. Si c'est une porte d'entrée parce que tu as tu t'es écorché et au-delà de deux semaines tu fais ta maladie, ça ne nous fait pas trop peur tétanos est grave, hein, mais mhm. contre pas plus choses. Donc, ce qui fait que les gens qui ont des portes d'entrée qui ont déjà cicatrisé des, mois après, ils font la, euh, la maladie. Ça ne fait pas. Est-ce que c'est parce que ça veut dire que l'organisme s'est déjà chargé à, défendre une partie de la maladie A eu déjà à, se, à chercher à s'adapter, même si par ailleurs, la maladie, c'est pas parce que tu as la maladie que ton organisme va fabriquer des anticorps. Ça, vous l'avez dit dans votre mhm. introduction, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Le fait d'avoir la bactérie dans ton corps ne permet pas de fabriquer des anticorps. Pour ça, il faut vacciner. Euh, oui, cela nous amène justement à rentrer donc dans la partie prévention, parce qu'il y a l'aspect curatif et puis il y a cet aspect de la prévention. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Et quel conseil pratique, docteur, pour prévenir efficacement le tétanos Il n'y a pas, il y a pas mille choses. Le tétanos, c'est la vaccination. Et la vaccination, je suis d'accord avec ma collègue, il faut prioriser si on ne peut pas faire à tout le monde. Si c'est les campagnes, vraiment la cible principale, c'est les femmes en âge de procréer. On les vaccine, la femme est vaccinée. Même s'il tombe enceinte, il a des anticorps qu'il va passer à son enfant. Au mois de l'accouchement, même si l'enfant a déjà des anticorps de sa maman. Il la protège. Mais pour combien de temps, docteur eh, Comment dirais-je les anticorps qu'on acquiert de nos parents mhm. peuvent nous, nous protéger tour de euh, 18 mois, pendant deux ans environ. Mhm. Le temps que, si on vaccine l'enfant, on commence sa vaccination normale, on le fait au complet, l'enfant va fabriquer ses propres anticorps. Mais le plus important pour l'enfant qui vient de naître, c'est les anticorps de sa maman qui va le protéger. Donc il faut vacciner les jeunes filles en âge de procréer et les femmes qui sont déjà enceintes, une seule dose mhm. permet de protéger l'enfant qui va naître. Malheureusement, je ne sais pas, mhm. les la communicatrice est là, je ne mhm. sais pas comment c'est difficile de comprendre, on pense que cette vaccination-là, c'est pour nous faire du mal. Il faut vraiment trouver les mots, mais il faut qu'on les fasse. Euh, c'est très simple. Il y a, a des réticences. Il y a des réticences. Même si ce n'est pas officiel, on sait qu'il y a des gens qui sont contre la vaccination des jeunes filles vous, m'avez demandé les difficultés qu'on a. Les difficultés, c'est essentiellement par rapport à nous autres agents de santé. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire Quelqu'un se blesse, ou bien quelqu'un il vient, il te voit. Tout celui qui fait accident là, systématiquement, tu vas avoir VAT, SAT, vaccin antitétanique, sérum antitétanique. Les gens le font. Mhm. Mais, Mais, on ne va jamais dire que cette dose-là ne suffit pas. Il faut faire des rappels. Le tétanos, au moins ces trois doses en deux mois, rappel, un an, cinq ans, puis tous les dix ans. L'enfant qui commence à faire avec le père, il faut qu'on explique aux parents, s'ils ont eu jusqu'à l'heure 59 mois, si je me rappelle bien, il faut dire aux parents, c'est à vous de continuer à faire les rappels. Les gens ne le font pas. Dès qu'on finit, ah, les agents de santé ne disent plus à la population, voilà. Ou bien tu as eu le blessé, tu lui as fait la première dose, dis-lui, tu dois continuer encore deux doses pendant deux, en, deux mois et faire des rappels. Et aussi, des fois, il y a des gens qu'on vaccine inutilement. Pour qu'est-ce que vous appelez Un enfant qui vient de naître, qui a eu son carnet, il suffit juste de dire est-ce qu'il a un carnet de vaccination Tu regardes, s'il a eu ses trois doses et qu'il a fait un rappel, même s'il s'est blessé, tu n'as pas besoin de le vacciner. Mhm. Il, est déjà, il a déjà sa vaccination. Donc, les, les, les difficultés, c'est essentiellement que les agents de santé eux-mêmes maîtrisent le calendrier vaccinal, comment on doit faire la vaccination pour protéger contre le tétanos. Faire des rappels si c'est nécessaire et rassurer si ça ne vaut pas la peine. Si ça ne vaut pas. Hmm, voilà. Euh, peut-être Madame Madame Jibo Fatih. Euh, oui, oui, c'est surtout la vaccination. Et cette vaccination-là, comme il vient de le dire, même s'il n'y a pas de campagne de, de vaccination, comme il vient de le dire, peut-être les gens sont vraiment réticents. Mais quand même, les femmes en âge de procréer, elles, elles sont concernées et elles sont obligatoirement vaccinées si elles vont, bien sûr, dans les formations sanitaires. Mhm. Donc, quand la femme est enceinte, on doit vraiment lui administrer sa, la première dose. Ça, c'est systématique Oui, c'est systématique. Dès que ça, c'est le premier contact, la première consultation. Mhm. Donc, la première dose, là, une dose de sensibilisation qui prépare vraiment l'organisme. Donc, après, on peut on rend rendez-vous donc à la femme. Un mois après, donc, il faut faire la deuxième dose. Mhm. Donc, euh, et à six mois aussi, on fait la troisième dose. Comme ça, ou bien, et après un an, on fait donc la quatrième dose, et après encore un an, et à défaut, si tout ça, si encore une nouvelle grossesse se produit, mhm. donc là, il faut vacciner. Parce que si s'il n'y a pas de grossesse, les, gens sont vraiment fainéants. Pour, oui, pour, la vaccination. Pour oui, mais oui, pour faire mhm. les rappels là, mhm. pour vraiment protéger. Et là, on protège et, et, et, la mère, on protège aussi et l'enfant, l'enfant qui va. Donc c'est vraiment les deux doses là qui permettent de protéger l'enfant. Tout, tout, enfant qui naît deux semaines après la deuxième dose, vraiment l'enfant est, en sécurité, l'enfant est protégé. D'où la nécessité de, de, la fréquentation des centres, de, santé en cas de, grossesse. En cas de grossesse. Parce qu'on sait qu'il y en a qui, euh, durant le cycle, tout le cycle, <laughs> en tout cas, fréquentement, tout rarement, surtout dans les contrées C'est vraiment reculées. Possible. Oui, oui, dans ah. Mais, et aussi, l'enfant aussi, donc déjà, à 6 semaines, déjà on fait sa première dose, à 10 semaines sa deuxième dose. Et ça, c'est le pentavalent. Mhm. Et donc, ce pentavalent, sa nécessité est que il n'y a même pas seulement le tétanos, il y a encore d'autres maladies que ça permet de protéger. Cause pour laquelle vraiment les femmes, qu'elles doivent se faire vacciner, elles doivent encore faire vacciner leurs enfants. Et ces doses-là, c'est trois et accepter sa résistance. Accepter aussi sans ça. Euh, docteur, et euh, y a-t-il un délai de rigueur pour, pour aller se faire vacciner, euh, pour aller faire le vaccin anti-tétanique après une blessure Oui, il y a, y a, vraiment y a un délai de rigueur ça c'est valable pour toutes, euh, toutes les maladies et d'inoculation comme ça, le tétanos, la rage, tous. L'idéal, c'est immédiatement. Quand on se blesse, immédiatement dans les 4 heures de temps, on doit se faire vacciner. Sinon, dans les 48 heures, 72 heures, on doit le faire. Et à défaut, il ne faut jamais dire que c'est trop tard, même dans la semaine, on peut le faire. Mais l'idéal, c'est vraiment dans les 4 heures de temps. On fait la vaccination, on met, on le vaccin et parallèlement, on met le sérum qui permet déjà de commencer à lutter à la le temps que l'organisme fabrique ses anticorps. Mhm. C'est ça l'avantage du sérum. Donc ça permet, donc c'est comme si on donne des anticorps pour faire le travail sang que l'organisme. Donc dans les 4 heures de temps. Euh, docteur, la différence entre le sérum et le vaccin Le, vaccin, c'est comme si on, on, introduit la bactérie, des parties de la bactérie dans l'organisme, mhm. qui va permettre à l'organisme de dire il y a un corps étranger, il va fabriquer ses armes mhm. pour atteindre une nouvelle infection. Mhm. C'est ça la vaccination. Donc c'est comme si on introduit le bacille, mais c'est des composantes qui ne mm. donnent pas la maladie, qui, qui, permet à l'organisme de fabriquer ses soldats, ses mm. anticorps. Alors que le sérum, c'est des anticorps, des armes déjà qui ont été fabriquées, fabriquées soit à travers des, des, vaccins, des sérums humains, mhm. ça c'est trop cher, on n'a pas ça, ou mhm. bien à partir d'animaux, le cheval surtout, c'est ce mhm. qu'on a, qui ont déjà la possibilité de défendre, de protéger le temps que l'organisme fabrique. Donc c'est des armes déjà préfabriquées qu'on met pour continuer la lutte le temps que nous fabriquons nos propres armes. Docteur, alors est-ce que si aujourd'hui euh, je me blesse et que je parte faire le vaccin et les sérums, euh, deux semaines après, je me blesse, ou une semaine, dans la même semaine, je me blesse encore. Euh, est-ce que je dois encore retourner hmm. Si c'est dans les deux semaines encore, je peux faire le sérum, parce que le sérum peut protéger, le sérum d'origine animale peut protéger pendant deux semaines mais on n'a pas besoin de refaire la vaccination. Il suffit juste de noter. Moi, en tant qu'agent de santé, si tu me dis que je me suis blessé, j'ai fait vaccin, j'ai pas de preuve, je ne vois aucun papier, je serais tenté de faire. mais si c'est noté quelque part, je suis sûr qu'il n'y a pas plus d'un mois, tu as fait, tu t'es vacciné, je le fais Mais si ça fait déjà un mois, je vais faire le rappel. C'est un seul mois, le vaccin n'a pas une La première dose, si on fait aujourd'hui, à un mois on fait, à un autre mois on fait. Donc trois doses en deux mois. Donc, c'est systématique. Même si tu ne t'es pas blessé, à partir de la preuve blessure, on doit faire ces trois doses Et après ces trois doses, docteur, est-ce qu'il faut attendre un an, même si on se blesse durant euh, cette, on cette n'a pas besoin de sérum à ce moment, même si on se blesse. Par rapport au tétanos, si tu m'amènes un carnet qui me prouve que tu as fait trois doses il y a mhm. moins d'un an, même si tu te blesses, je ne te fais plus de vaccination ni de sérum on peut avoir une idée du, du, prix du, vaccin anti-tétanique et du sérum, docteur Ça ne coûte pas cher. le, le sérum fait autour de 2 à 3 000 en fonction de la pharmacie. Mhm. Et même le vaccin ne fait pas 5 000. Mhm. Je ne suis pas très sûr du prix, mais ça, les mhm. tout ne font pas 10 000 quand même. Après les trois doses, on pense que le taux d'immunisation que ton organisme va avoir peut couvrir un an. Il faut juste, il y en a encore, hein. même après un an, il y a encore des anticorps. Il faut juste euh, restimuler le corps pour euh, ajuster, pour avoir les doses qu'il faut. Mais ça protège vraiment. En tout cas, alors, mhm. c'est pourquoi donc on dit à ces femmes-là de faire les 5 parce que quand la personne, la femme arrive à avoir ces 5 doses, ça veut dire qu'elle est Pour les femmes, c'est 5 doses. Oui, c'est 5 doses. Quand elle suit bien son calendrier, c'est 5 doses. Et quand elle arrive à avoir ces 5 doses, elle est immunisée toute sa vie. Ça, vous parlez des femmes euh, déjà euh, enceintes Non, les femmes en âge de procréer. les femmes en âge de procréer. Même si la femme n'est pas enceinte, si elle peut, elle peut suivre son calendrier. Mais ce que même les vaccins sont commandés vraiment pour ces femmes-là. C'est pourquoi on priorise vraiment les femmes enceintes les femmes enceintes et les enfants. Oui, parlez-nous par rapport à la disponibilité et à l'accessibilité même de La disponibilité, du le vaccin est disponible dans toutes les formations sanitaires, même les cases de santé. Et c'est gratuit. Donc maintenant, c'est vraiment à la population. Personne ne paye rien. Personne ne paye rien. Ah, je, vois un docteur qui voudrait réagir. Les femmes enceintes en âge de procréer dans les CSI, dans les formations, ne, payent pas. pas. Si tu te blesses, toi, à la santé, tu vas à l'hôpital, on te donne ton ordonnance, tu vas en pharmacie. Et ça, c'est la santé. Oui, elle parle effectivement pour les femmes. pour les, femmes, les femmes, les, femmes, femmes, personne ne paye. C'est vraiment gratuit. Hein. Personne En âge de procréer, pas seulement les femmes enceintes, parce qu'autrement on va penser que c'est parce que celles-là, euh, les femmes enceintes, rentrent dans le groupe de, la gratuité. Pour les, femmes en âge de procréer, il y a eu juste une campagne en 2014. Ça, c'est pour toutes les femmes en âge de procréer. Mais maintenant, c'est pour les femmes enceintes. c'est pour les femmes enceintes. toutes celles qui sont enceintes et qui viennent dans les centres de santé. Mhm. Ceux qui consultent vraiment. Ceux qui hmm, ne consultent, pas. Bien sûr. <laughs> bien sûr. Euh, <laughs> bien. Euh, madame, est-ce quelle perspective peut-être au niveau de la direction régionale de la santé pour des mesures préventives euh, dans, ces, dans ce domaine Vraiment, les mesures présentées, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Et on sensibilise vraiment la population. Les femmes enceintes, rendez-vous dans les formations sanitaires. Même si c'est une case de santé, la femme sera sans vaccin même si c'est une case de santé. À plus forte raison, dans les grandes villes, là où il y a les maternités, il y a les, les CSI, les pays là où fait les, consultations prénatales. Vraiment, le vaccin est disponible. Et c'est gratuit, c'est à titre gratuit. Vraiment, la femme ne paye rien. Et pour elle et pour son enfant. Hmm. Euh, docteur, euh, des compléments d'informations et de, mesures pour euh, quand même contribuer à à, la santé de la population par rapport à cette maladie qui est très redoutable. D'abord, au moins qu'on commence à vacciner nos femmes enceintes. Mhm. Ça, il n'y a pas de, il a pas d'autre magie. C'est comme ça, il faut vacciner la personne sinon, la personne va faire sa maladie s'il est, est exposé, si elle est exposée. Mhm. Mais maintenant, par rapport aux agents de santé, c'est savoir connaître le tétanos. Si elle dit qu'il n'y en a plus, c'est que on est convaincu qu'il y a une sous-notification. Mhm. Les agents de santé même ne, ne, c'est pas tout le monde qui connaît les signes du tétanos. Mhm. Et en plus, les parents, c'est pas tous les cas qu'on amène à l'hôpital. Pour un enfant qui ne, cherche pas, qui ne veut pas téter, on veut le forcer, on va lui donner quelque chose, mhm. il va faire des fausses routes parce que c'est bloqué là-bas, il va faire une infection respiratoire, il va mourir. Donc, c'est le fait même de vouloir nourrir par force un enfant qui ne tète pas mm. qui va la nuit. Donc, un enfant qui refuse de têter, le mieux c'est de l'amener à l'hôpital pour savoir si ce n'est pas le tétanos ou bien si c'est autre chose que de vouloir forcer à nourrir l'enfant. Et tout celui qui se blesse ou bien tout celui qui a fait vaccination, c'est de finir cette vaccination. Sinon, c'est inutile. Tu fais une dose, tu arrêtes, c'est inutile. Mm. C'est de finir sa dose, ses doses et d'être plus en paix. Merci. Merci, docteur. Euh, nous arrivons donc au terme du forum de ce soir euh, qui porte sur le tétanos, cette maladie, je l'ai dit, euh, redoutable. Ce que nous retenons pour faire face à cette maladie, d'abord pour les, pour les tranches de, de le groupe cible les plus vulnérables, les femmes notamment enceintes, les enfants, la solution, c'est de se faire vacciner, faire des rappels, se rendre dans les centres de santé les plus proches même dans les, dans cases de santé, Madame l'a rappelé, le vaccin est disponible et, gratuit. Se rendre dans les centres de santé, se faire vacciner, faire les rappels. Et vous l'avez dit aussi pour les personnes bien portantes qui arrivent à se, à blesser par des matériels quelconque, qu'ils se rendent dans les centres de santé, faire le sérum et le vaccin et n'est pas oublier de faire les rappels des doses, pas seulement une dose, s'arrêter et penser que c'est fini. Merci à vous. Nous étions en compagnie du docteur Hankiya Yahaye, médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey, et Madame Jibo Fati, chargée de communication à la direction régionale de la santé publique. Présentation à la Sainte-Cousine Mamadou à la technique. Hassan Tawe, bonsoir.